Euh, en tout cas, euh, je rejoins tout à fait euh, Sabani à, Et Limay ça, c'est mon engagement déjà, c'est mon avis personnel avant de sur le dium si, si mhm. Parce que, encore une fois, hein, pour moi, pourquoi parler de dialogue Pour moi, il y a un prérequis pour nous sortir le et c'est plutôt un monologue, un monologue de la part du président Macky Sall nous avons annoncé voilà membres participer euh, aux élections 2024 euh, wa les conditions pour organiser euh, élection yi avec une instance neutre Nous et à la limite nous laisser à tous les candidats de l'opposition qui souhaitent être se présenter nous la possibilité de nous présenter Nous déjà nous li mu dire, mm. donc dialoguer pour faire quoi Ni on est déjà, c'est peut-être euh, euh, déjà deuxième ou le troisième dialogue bord de Minkoy organisé. Le dernier en date, c'était sur, euh, juste après les élections 2019, c'était sur le fichier électoral. Parce que Bob nous, donc, on cherchait à désigner un organe indépendant pour gérer l'organisation élection. Dossier Bob Fan le amul ben conclusion déjà ci dossier bob pour l'instant biñ ci défé biñu défé euh, dialogue yi si lañ ko euh, tek de côté tey jii nii euh, bu dialogue il faut savoir une chose pour man ben, beneen piège encore Bon, xam ne koy tegaat Macky Sall koy encore sur le le tapis et piège bi mooy cette fois-ci c'est pour diviser l'opposition et isoler Pastef parce que Teguini jii nii Yewwi Askan Wi am nañ donc euh, té ñom yeewi askan bi ñi ko composé ku ci euh am nga ay intérêt yo xamné euh c'est c'est si ay intérêt yo xamné c'est divergent notamment si si bu féké dañu bëgg a dem dialogue ni mm-hmm. peut-être euh, ça serait un moyen ñu ñu revoir les critères de euh, de du parrainage parce que critères actuels yi peut-être arrangé ou leen ñeneen ñi peut-être ñi ngi bëgg seen candidat ñu rendre que éligible ndax ñu mën participer si si élection yi mais il faut savoir que APL Benno Yaka Yaakaar dafay bokk aussi si dialogue yi te mom aussi amna lu mu wara défendre li mu wara défendre mooy ñu légitimer la candidature de Macky Sall bi ki nga xam warul bokk te te ku dem ku bokk si dialogue bi il faut savoir que de suite yaa ngi légitimer euh, bépp conclusion bu mën a génn si dialogue bi te conclusion yi mën a génn si dialogue bi si ça se trouve c'est la validation du, du, du, euh, de la candidature de Macky Sall. Donc, il va falloir être très, très prudent avec ce dialogue-là.